la voix. Je m'appelle Marie-Caroline Fils. Je suis la présidente de CESEN, des femmes catholiques de Saint-Louis, qui regroupe trois régions administratives, Louga, Saint-Louis et Matam. Saint-Louis accueille l'Assemblée statutaire des femmes catholiques du Sénégal. C'est une grande joie pour nous d'accueillir ces femmes. C'est une source aussi de motivation pour nos unions. L'arrivée des autres femmes nous motive. L'accueil n'est pas facile. Vous voyez que j'ai déjà plus. Fatigué. Donc là, nous travaillons sur les Nous sommes conscients en tant que Sénégalais de contribuer à la construction de cette société. Donc euh, je peux dire que on ne peut pas être en marche parce que la société sénégalaise elle est déjà laïque. Donc toute femme du Sénégal le devoir de travailler pour la société et nous sommes prêts à le faire donc euh, diocèse que pour telle activité nous Nous nous sommes nous ñu accueil Nous sommes Nous sommes mi sommes euh, nous engagement nous avons signe de motivation donc nous baax la euh, daf ci suñu engagement wu catholique yooyu yëpp dañ siy yëngatu ndaxte doomu réew mi lañu donc ñu ngi ci biir société bi ñu dàq dara lu bokk Sénégal ndaxte laïcité bi bu weesoo loolu jigéen yi ngeen gis ni ñu si bëri ñu ngi ci mairie yi en commençant man ñu si bëri ñu ngi ci département yi ñu si bëri ñu ngi ci ministère donc luy doomu réew mi def rek ñun ñoo développement

elle, est très importante, d'autant plus que les femmes sont là pour statuer un peu euh, sur le règlement intérieur. Cela a été discuté au niveau des bases d'abord. Et maintenant, comme les choses changent, le monde change et ça évolue, donc il faut aussi qu'on revoie un peu euh, euh, les, statuts par rapport à leur modèle de vie et par rapport aussi à l'esprit de vie. Vous savez que la femme catholique, elle est très importante pour l'abonnement de l'Église, l'Église catholique plutôt, on dit Saint Paul et Saint Pierre sont les colonnes de l'Église. Mais les femmes aussi jouent ce rôle de colonne de l'Église. Donc euh, moi, je, en tout cas, en Église, on dit que tout ce que les femmes font contribue à la bonne marche de notre Église. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous euh, directeur des œuvres de recevoir ces femmes au niveau de notre diocèse de Saint-Louis. D'autant plus que ça nous aide encore à avoir une vue beaucoup plus vague de ce que le monde attend de l'Église et aussi de leur contribution par rapport à leur état de vie. Vous savez, la femme, c'est elle qui peut connaître ce qui aide la famille à marcher, d'autant plus que c'est elle qui est la mère. Et en tant que mère, elle a une vie beaucoup plus vague. Donc si aujourd'hui on est réunis ici pour euh, les aider, les accompagner, aussi leur servir de conseiller par rapport à le statut, c'est juste pour nous permettre à nous aussi de revoir un peu notre manière de marcher sur notre église. Euh, Je suis sœur Anne-Michel Sarr, sœur de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. J'habite Dakar. Uh-huh. Je suis conseillère nationale depuis 2008. Je suis avec les femmes sur le terrain. Comme mes sœurs ici, les sœurs conseillères, nous vivons les réalités. Quel est le message fort à de toutes les femmes du Sénégal Le message que je pourrais lancer à toutes les femmes du Sénégal, c'est que de plus en plus, elles s'investissent pour vivre d'abord leur mission de femme au sein de la nation sénégalaise. Être femme, c'est d'abord être mère, être porteuse de vie, accompagner la vie, semer la paix, la joie. Et par le courage aussi au travail, de ne pas attendre que tout vienne, mais s'investir pour que la vie change. Parce que quand la société change, c'est parce que la femme, elle a changé son milieu de vie par l'éducation et le courage.